Je njëkk a rek mooy euh, appellation yi euh, euh, si si si réew mi ndax wax nañ ko communes depuis 1880 nous avons évolué avec l'avènement de la décentralisation au Sénégal La décentralisation a avancé ay changement a été fait si am changement yooyu am euh, si indi en période du 1984 ou avant même 84 euh, ñu indil ñu ñun fi ci bien que commune lañ de 1880 à nos jours euh, ñu indil ñu li ñuy wax la commune de Grand Dakar Nous amul sax maire ndax ñu ngi commune de Grand Dakar je pense à l'époque que Sall moko jité won nous biñ ko dawalé yagul ñu nous sunu mbiru ñu indi ñu commune de Rufisque barnier mais lekkoon ngay dégg euh, commune Djokoul, ou wala commune nu euh, Thiawlène Mérina wala commune nu Dangu Darahman da nga dégg Rufisque est ouest nord C'est mooy appellation yi euh, loolu nag dañ si caxoon leneen muy indi lu ñu naan arrondissement di wax ne arrondissement yooyu ñoo indi création ville ndax arrondissement en ville ñu won à l'époque ay moyens bi président de la république son excellence Macky Sall ñëw indi réforme ne dafa bëgg euh, vraiment euh, population yi euh, collectivité territoriale gën leen a jege loolu le sens mu dindi région indi département pour que ñu nit identifié wu à leur département dindi maintenant commune d'arrondissement def des communes de plein exercice dindi aussi commune pour que mu am équité et égalité loolu la loi est impersonnelle defuñu ko woon pour Massamba defuñu ko pour Mademba dañ ko defoon pour Sénégal mu am un paradoxe parce que Dakar Pikine c'est une périmètre départemental englobe englobé ville bi donc nous mënoon nañ de conseil départemental mais un conseil départemental ñu de ville parce que nous épouser encore statut commune Nous nous ñu créer fi ville ville bi aussi am statut commune mais comme statut commune moi vous avez les mêmes missions que les communes de plein exercice une différence mais la fait moi commune commune ñu am territoire ville bi un territoire mais si on les moyens ville bi moo détenir ndax euh, plus luy contribution économie locale avant la patente, patente ville bi été accaparée. accaparé wu et en contrepartie avant dama lay wax a 96 commune d'arrondissement, ville a jox fonds de dotation les communes mais aujourd'hui la ville ne fait pas de dotation amul fonds de dotation pour directement les communes de plein exercice parce que ont sont d'égale dignité mais là, ça pose un problème donc sur la gestion et la bonne gouvernance des ressources publiques parce que tey lii ville les communes ont am pour exercer cette mission que ce soit dans le domaine de la santé dans l'éducation, parce que les communes yoyu ñoo gérer poste de santé les ñoo centre de santé etc. Le euh, secteur clé hein, bi nga xamné motax ñu indi décentralisation les communes ont ñoo même dans le domaine du sport C'est ces mêmes communes de plein exercice ñooy dimbale ASC ñoy joxé alors que c'est moyens moyen ñu ont parce que l'industrie, yi nga une contribution muy patente muy loolu yëpp industrie ñu territoire. Euh, communes donc ça pose un problème la ville tourne autour d'un budget annuel de 6 milliards avec au moins 4 à 5 milliards de recettes Il que que l'on dans l'évaluation des faits ou bien des actes posés dans l'investissement mais faisons le tour quand même de notre ville pour dire que la ville ne connaît mën mission mais c'est pas des missions stables et là, ça pose aussi un problème et c'est ce problème qui a fait que le président moi je suis en phase avec ce qu'a dit le président le statut de la ville doit être redimensionné en fonction de l'existence des communes et en fonction des moyens que nga communes yi jox ko ville pour nous mutualiser les nga comme mission